Le Pajir, par la force des choses, est devenu un mot à la mode dans la vallée de Sandoukou. Lancé et mis en œuvre depuis 2017, le projet d'appui à la gouvernance de l'eau et à la gestion intégrée des ressources en eau, initié par le consortium des ONG Eau Vive et Caritas, financé par l'Union européenne à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau des GPRE, et le PEPAM UE a su tirer son épingle du jeu dans sa zone d'intervention dans la sous-UGP de Sandougou. Les résultats du projet Pagigir dans le département euh, de Goudiri, globalement, en tout cas, sont satisfaisants. On peut dire que ça a été vraiment euh, une réussite pour cette première phase dans le département. Euh, beaucoup de choses ont été faites. Euh, on, on, va citer la réalisation des digues, diguettes, euh, vraiment qui, qui, ont fortement contribué à, diminuer, en tout cas, les pertes de terre. Pour Idriss Ndour, le coordonnateur du PASGIR UE à Tambacounda, l'enjeu est de taille. Tout au début du projet, quand on a fait l'étude de situation de référence, on s'est rendu compte que dans la sous-UGP de Sandoku, en tout cas au niveau des huit communes d'intervention du projet, les gens ne connaissaient pas le concept GIR, Gestion intégrée des ressources en eau. C'est la raison pour laquelle on a, fait, beaucoup de renforcement de capacités, surtout les acteurs locaux, les services techniques et les autorités administratives, renforcement de capacités sur euh, euh, la GIR et la gouvernance de l'eau, sur le code de l'eau et le suivi et évaluation des ressources en eau, sur euh, la gestion, la protection et la reconstruction de la ressource en eau, euh, mais également formation des enseignants sur, sur et la gouvernance de l'eau, formation également sur euh, la gestion administrative et financière, parce qu'on a installé des cadres de concertation au niveau des huit communes d'intervention du projet, et donc il fallait les outiller pour que ces, acteurs à la base puissent s'organiser et puissent euh, discuter autour de l'essentiel pour une meilleure gestion de la ressource en eau au niveau de la sous-UGP de, de Sandougou. Pour les habitants de la vallée de Sandougou, c'est devenu un geste quotidien. L'Agir gestion intégrée de la ressource en eau. GIR est presque venu à son heure. Hein. nous a accompagnés, nous a aidés à travailler avec les collectivités pour vraiment essayer de voir tous, d'avoir avec les acteurs concernés, euh, tous ceux qui sont acteurs euh, qui ont besoin de l'eau, qui participent à la gestion de l'eau, ces acteurs-là, GIR nous a permis de les regrouper et d'essayer de, les aider à avoir une gestion intégrée de leurs ressources locales. Une stratégie agressive de communication a été adoptée pour sensibiliser les bénéficiaires. Pour ce qui est des ordures, nous avons fait beaucoup de sensibilisation parce que le projet, on a fait 40 émissions radio et nous avons contractualisé avec 4 radios de la place au niveau local pour développer, organiser des émissions radio, pour sensibiliser les populations sur les mauvaises pratiques parce que nous avons constaté que les gens déversent des ordures dans le Mamakunda. Ils déversent des ordures dans la vallée de Sandouk. Ils déversent même des cadavres d'animaux dans la vallée de Sandouk. Et nous savons que la vallée de Sandouk, c'est un bassin versant. L'eau coule de l'amont vers l'aval et toutes les actions, en tout cas les mauvaises pratiques, auront leurs conséquences néfastes du côté de l'aval. Et donc, il fallait développer beaucoup de sensibilisation. Voilà ce qu'on appelle la boîte image, c'est cet outil on utilisait pour sensibiliser la population par rapport au projet Pagigir. Là, cette image illustre un tout petit peu l'état des lieux de la vallée. Avant de dérouler le projet, on a fait une étude sur la vallée et on a fait ressortir certains éléments qui font que la vallée est vraiment, disons, entre guillemets, polluée. vous voyez, entre autres, les déversements des eaux usées dans la vallée, les déversements des déchets dans la vallée, des ordures, disons des cadavres d'animaux et tout un, tout un arsenal de déchets qui se mélangent à l'eau. Et voilà, en amont, ce qui se passe. En aval, il y a des gens qui, qui, font le linge au niveau de la vallée. Donc, des enfants qui, s'amusent, qui se baignent. Des, animaux même qui s'abreuvent au niveau de, cette vallée. Et même des, des gens qui boivent cette eau là, on constate vraiment que c'est une eau vraiment, disons, pour ne pas dire polluée, mais cette eau est vraiment infectée. Nous avons eu à faire 1771 animations, plus de 1400 émissions au niveau de, la zone du département de Tamba et 300 et quelques dans le département de Goudéry. Et pour ce qui est des, des séances euh, d'émissions euh, radio, on a eu à tenir 40 émissions radio nous avons eu à investir 80 watts pour le déroulement de ces séances d'animation au niveau des deux départements. Les riverains de la vallée ont compris que la persistance du scandale sanitaire et écologique lié au cocktail cancérigène entre eau de pluie, ordures ménagères, cadavres d'animaux et le contenu des fosses sceptiques est tout simplement lié à la conséquence des pratiques néfastes. C'est l'occasion pour nous de remercier les acteurs de mise en œuvre, mais de remercier aussi les partenaires de l'État du Sénégal, l'Union européenne. Euh, le Mamakunda, c'était une préoccupation et continue à être une préoccupation pour euh, les politiques que nous sommes. Avant nous, ça a été une préoccupation. Aujourd'hui, c'est une préoccupation sans que nous ayons la conscience que ça allait prendre en charge cette dimension-là. Parce que nous, pour nous, quand on parle de Mamakunda, pour nous, c'est les ordures. Il faut faire de sorte qu'on cesse de déverser des ordures ou des restes mortuaires des animaux dans le Mamakunda ou la défécation à l'air libre dans le Mamakunda. Nous, jusqu'ici, c'était ça. Mais nous n'avions pas conscience que tout cela, ces mauvais comportements-là, allaient avoir des impacts néfastes de l'autre côté, parce que d'autres personnes vont utiliser de l'eau qui coule. Et le Mamakunda fait partie, le lit du Mamakunda fait partie quand même des de, lits qui drainent euh, l'eau qui vient peut-être de l'autre côté. Parce que quand on a nettoyé, on a constaté que les gens continuent jusqu'à présent à, verser encore des ordures. Donc euh, nous avons commencé les sensibilisations, des porte à porte, des visites à domicile. Donc euh, essayer de, sensibiliser presque toutes les sensibilités pour qu'ensemble nous puissions comprendre que le slogan, c'est un autre regard en tout cas du Mamakunda. L'ensablement de la vallée a vite été maîtrisé et du coup, Certaines mares, comme celle de Momodou Pougou dans le département de Goudiri, conservent ses eaux jusqu'au mois d'avril-mai en guise de récompense de la nature à l'endroit des populations riveraines. On s'était dit qu'il fallait donc mettre des ouvrages, des ouvrages de DRS pour protéger la mare contre l'ensablement, raison pour laquelle nous avons installé ces quatre euh, ouvrages de protection ici et de l'autre côté, mais également une ligne de cordon pierreux pour renforcer ces ouvrages et toujours lutter contre régions, les régions hydriques et essayer de récupérer ces terres qui sont arides. Et d'ici deux ans à trois ans, avec l'appui de l'effet de ces ouvrages-là, on pourra récupérer ces, terres et permettre aux populations de cultiver ces terres qui étaient abandonnées avant euh, la mise en place de ces ouvrages. Et si vous allez sur le terrain, vous aurez voir les, résultats palpables. L'ensablement s'est diminué, les régions hydriques s'est diminué. Pas pas de euh, caali ɗi e maaji ɗi allah ne anndi ne ɓamti haa e, e, e commune o kure pirliɗi heen ɗi fof ene njii heen gartam ngati avant e, pasi journé ara ko wonno ɗo ko haalotaako nokkuji ɗi fof koko bonnano kala jiiɓaaji tan e salteeji e yahooɓe dow wuro e wuppoyoɓe caali he ko ɓen tan mbaɗatno utilisé maaruji ɗi koni gueɗe pasisure ari holli amen nafoore ndiyam andini amen nafoore ndiyam formi amen holli amen holno men nangirta ndiyam ɗam holno men kutorto taw ndiyam ɗam bonani Avec l'engagement des communautés assistées par des techniciens de l'INP, l'Institut national de pédologie de Koussanar des diguettes et cordons pierreux réalisés en un temps record ont retenu le sable et les substances organiques qui fertilisent le sol pour les cultures, ainsi la poussée des herbes, ainsi que l'augmentation des rendements agricoles en sont une parfaite illustration. Les premières rencontres d'ailleurs nous a beaucoup montré qu'effectivement on peut travailler sans moyens, sans financement conséquent. Parce que la chance que nous avons au niveau de lancement de Koussana, et même au niveau du département, il y a l'INP qui est là, qui sont des spécialistes par rapport à ça, l'Institut national de pédologie. Si on arrive à faire une rétention d'eau jusqu'au mois de janvier, février, mars, ça va permettre pendant cette période-là, surtout une période très favorable aux femmes de faire beaucoup d'activités de, hors, saison, les cultures maraîchères. Il peut même cultiver du maïs et beaucoup d'autres choses. Vraiment, on a vu des résultats très positifs, Parce qu'à partir de là, là où nous sommes comme ça, Ici, c'était un creux, c'était profond d'à peu près un mètre. Et aujourd'hui, voilà que déjà, tout le niveau est plat. Ça, on les remercie très infiniment pour ce travail. Nous sommes dans une zone aride où les gens ne travaillent euh, la terre que pendant trois mois. Euh, les cultures sous pluie. Or, il n'y a pas beaucoup d'activités, beaucoup de sources de revenus dans cette zone. Quand l'eau est là, et si elle est bien gérée, ça peut être une source de revenus de plusieurs populations et peut-être ça va un peu diminuer la pauvreté et on peut atténuer l'immigration clandestine auquel s'adonnent nos jeunes. Derrière nous, il y a une diguette de 11 mètres de long, 0,55 euh, mètres de profondeur. De l'autre côté, il y en a une également. Et en amont, il y a également deux autres que le Pagir a bien voulu mettre à la disposition de la commune de Goudiri. Et de l'autre côté également, sur la route de Dougué, nous en avons fait pareil, ce qui nous fait au moins 8 diguettes. Et au-delà de ces diguettes, le projet avec euh, le cadre de concertation avait également fait des, mis en place un cordon de sable, de, sacs de sable, pour au moins amoindrir l'érosion euh, du sol autour de cette vallée-là. Durant la visite de terrain effectuée par le coordonnateur du pass e, plusieurs chefs de village ont exprimé le souhait de voir leur localité intégrer le lot des villages bénéficiaires des interventions du projet. Il y a les populations qui habitent à 40 km de la mare et qui se situent le long de la vallée, comme Diakon. Ils, ils aimeraient être parmi les projets. Mais malheureusement, comme le projet tire à sa fin, on tire la sonnette d'alarme pour dire qu'on veut que le projet continue pour pouvoir encore pour impliquer d'autres gens qui gravitent autour de la mare. dem ci yeneen village yi nga xam ñoom la concerné mën naa ne concerné na ñëpp sax mais dem ci village yi nga xam mën nañ fa dem ak nuñ fay demee di waxtaan ak ñoom ci wàlli projet bi lim ñu indil muy passager lim ñu indil loolu tamit dina tax ku nekk fa nga nekk boo fa bayee sa waar rek mbir mi mën na sax bu saxee comme niñ ko waxee yàq ndox gi nga xam dañ ko doon dëkkee te xamuñu ko mun na wàññeeku loolu tamit dana yaxanal poos ñun waa couleur sax am nañ forage waye amnañ fi fii fukki dëkk ak juróom-ñett yo xamni ni nii ñent juróom-ñeent yi moom ñoom il faut ñing ci teen yi ñu ci forage yi te ñoom ay bant lañ def amuñu ay giraas loolu tamit ñing ngi leen di ñaan wax dëgg yalla projet bi amna doole trop projet bi bu nga maron mu gunge ñi ba jëm kanam. Nous n'avons jamais su que l'eau est une denrée périssable mais maintenant on est sensibilisé. hay goto e amen anndaano ndeke ndiyam koko jogori gasde hay goto e amen anda no deke ndiyam neɗɗo ene foti aynude ɗum no jogotoɗa haalis ni e posma aɗa aɗa hula woto haalis o gas ko noon neɗɗo o foti aynirde ndiyam ɗam façon ndiyam jiɗi tati foof noon jarete ɗam ɗam yo gonɗam to leydi to ɗam yo toɓate ɗam ɗam yo ɗam foof ndeke yimɓe ɗam poti aynu goto foof hutora hen tawa bonnani anabrique C'est l'homme qui est en train de polier cette nappe et de, manière peut-être inconsciente, mais des fois aussi de manière consciente. Les gens sont inconscients que d'ici 2035, peut-être nos besoins ou d'ici 2000, à, long terme, on risque de manquer d'eau. Et c'est dû surtout à l'utilisation, à la mauvaise utilisation de cette nappe, de cette euh, ressource. À Tambacounda, le député maire Mambalelo s'est engagé à octroyer 2 millions de nos francs pour appuyer le cadre de concertation. Le maire s'est engagé effectivement, compte tenu de l'ampleur du travail et de la pertinence du travail qu'attend ce cadre de concertation, le maire a consenti effectivement de mettre 2 millions pour prendre en charge les activités. donc la preuve, parce que nous, on avait déjà une ligne budgétaire appelé curage du Mamakunda, qu'on utilisait, qu'on mobilisait chaque fois, en chaque début d'année hivernale, de saison hivernale. Mais c'était juste pour nous une manière de euh, libérer le chemin à l'eau pour éviter les inondations. Donc, si ici ajoute aujourd'hui les activités de GIR, euh, donc euh, c'est aussi important pour nous qu'on puisse faire une rallonge de cette ligne budgétaire et que les 2 millions soient utilisés pour effectivement permettre au cadre de concertation de mener des activités qui demain vont être comptabilisées dans le cadre de notre mission de rendre la ville propre, mais aussi désormais de nous insérer harmonieusement dans le dispositif de gestion intégrée des ressources en eau. Mention spéciale au maire, maire 1 million, 1 million de maires waɗi décaissé wi ɗum ɗo ko kanko yomin guddit compte amen o viré ɗum une mention spéciale. maire amen omo walliti kadaro, o omo wallitamo te omo jogii fandare kadi wallitde après kadi o ƴetti engagement hikka ma o nannu 1 million et budget makko dum tawako pour cadre de concertation dans l'arrondissement de makko koulibanton koussanar Koulor et celui de boyguel bamba les autorités administratives et territoriales ont à l'unanimité félicité le consortium Eau Caritas et ont plaidé pour une seconde phase du Pagigir e. Ça demande aussi la construction euh, d'ouvrages hein. et que savez-vous que les populations n'ont pas ces moyens, d'où vraiment la seconde phase euh, de ce projet euh, serait vraiment très intéressante pour continuer le travail qui est déjà entamé et ça pour le bonheur des populations surtout qui, qui, vivent autour du À Sintu Bokar Ali et Ndoka Babakar, Goudiri Neteboulou, les élus ont apprécié la dimension florissante des relations entre les acteurs du cadre de concertation. Le cadre se réunit régulièrement et discuter sur vraiment le projet et aussi euh, faire des plans d'action ensemble. Nous, selon nos moyens, au niveau de la commune, nous allons essayer d'appuyer le cadre voilà, par rapport à ces petits matériels. Un million, on a remis au cadre de concertation, c'est pour l'appuyer en matériel, pour qu'il puisse faire du bon travail. Le cadre de concertation fait nde neɗɗo wawa halandema, à l'endemain, fof et nder jonde meɗen Parce que ko adi ko cadre de concertation dans la vallée de mamakunda à Tambakunda, les cultivateurs maraîchers les jeunes qui s'adonnent aux activités sportives et les acteurs culturels le rappeur Nigodou chacun en ce qui le concerne y trouve son compte il faut d'abord euh, euh, féliciter ceux qui ont commencé parce que dans le Mamakunda, donc il y a des jeunes qui ont commencé des activités de maraissage, Je pense que ces jeunes-là, il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut aussi les accompagner parce qu'ils ont créé des emplois. Eux, c'est un emploi pour eux, mais aussi ils ont recruté d'autres jeunes. je pense que euh, de ce fait, il faut les encourager et les accompagner. parce que maraîchage bi dinañ dina leen indil ñu mun a dimbale seen njaboot yi ñu dem école bu ñu feebaree ñu faj leen ñu mën a dolli si seen kër yi maraîchage bi dinañ ko même ñii di liggéey sax bu ñu wàccee dañu ñëw si maraîchage bi parce que amal nañu njëriñ. éleveur bi agriculteur bi ñu nekk forêt environnement pêche ñun ñëpp dañuy toog waxtaan concerté wu xool ni ñuy def ñu gox xool ni ñuy def waxtaan ci affaire mbalit bi affaire ndox mi nuñ koy gérer bu ñuy njëkk a si amuñu woon mais. après dañ ñoo defal ay formation waa jir ñoo ñu defal formation yu bëri gis nañ ci njëriñ na xaw na wàññeeku tuuti waaw def nañ ay activité yu bëri lu ñu doon bëgg ñu mu ngi wàññeeku mënuñu ko am totalement mais mu ngi wàññeeku bu baax waa ñi ngi ñaan yàlla projet bi am deuxième phase ndax ñu mën a eggale suñu liggéey bu baax nous avons eu à être capacité euh, en matière de dans le cadre de la gestion euh, de la mise en œuvre du projet euh, c'est-à-dire la gestion intégrée des ressources en eau. Euh, il s'agissait de, non seulement de capaciter euh, les inspecteurs, c'est-à-dire au niveau de l'IH, le point focal de cette activité, et au niveau des IEP, il y avait des inspecteurs qui avaient été choisis effectivement pour la mise en œuvre de cette activité-là et qui avaient été capacités. 80 enseignants ont été formés et répartis dans deux départements, dans deux IEF, euh, il s'agit de l'IEF de Tambacounda, qui comptait au total 54 euh, enseignants, au total, et l'IEF, du département de Goudiri, euh, qui comptait 26 enseignants, ce qui fait au total 80 enseignants qui ont été capacités. aussi, ils ont eu à, à obtenir des outils, des outils à caractère pédagogique, des outils, c'est-à-dire des images, des boîtes à outils, qui vont servir aussi de sensibilisation. Ces outils-là vont permettre aux enseignants de dérouler les enseignements apprentissages à partir de ce qu'on appelle la gestion de l'eau. Il y a déjà ces outils parce que vous savez, l'enfant, à cet âge, ce qu'on dit en psychologie, l'enfant a une pensée concrète ou semi-concrète. L'enfant a besoin de voir les choses pour comprendre. Si vous parlez comme ça, il ne voit pas, il ne s'intéresse pas. Et ces outils-là ont un rôle très important sur le plan pédagogique. Il est à noter que le chef de la brigade des ressources en eau de Tambacounda conformément à sa mission, a pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les cadres de concertation à mieux consolider les acquis liés à l'agir gestion intégrée de la ressource eau. Selon Mamadou Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, les millions de mètres cubes d'eau qui se déversent dans la vallée de Sandougou se doivent d'être préservés et valorisés. La Sandougou, c'est un, un affluent. Donc ça, surtout, ce sont les eaux pluviales. C'est un bassin qui est très longue. Donc la quantité est bon. En fait, euh, on a des stations de mesure à Sint-Jumalem et à Dialakolo pour mesurer. Mais la quantité est, énorme. Puisque nous sommes des services euh, techniques de l'État et en même temps aussi nous relevons de la DGPR qui est notre direction, euh, actuellement nous sommes les tutelles des cas de constatation. Parce que même on a prévu dans notre mission régalienne de faire, d'ajouter le suivi des cas de constatation. Et bon, je ne vais pas dire qu'on va les suivre mensuellement, mais on va essayer de voir tous les trois mois, d'aller dans, toutes les communes, euh, d'abord de voir ce qu'ils sont en train de faire pour le cadre, mais aussi de les mettre euh, sur la bonne voie pour au moins essayer de permiser le, cadre. La pisciculture se développe petit à petit dans l'arrondissement de Makokoli-Bantan. Au niveau du village de Leba, pas plus tard que quelques temps, nous étions rendus. Les populations s'organisent quand même vraiment, c'est de retenir l'eau pour y faire ce qu'on appelle la pisciculture. Voyez-vous, la culture de, poissons. Donc ce jour-là, nous-mêmes, euh, après, après la réunion, lorsque nous sommes rendus chez le chef de village, nous avons mangé des poissons qui ont été tirés de, du sang. Voyez-vous, donc c'est très intéressant et très important. L'efficacité génère des gains l'expérience du Burkina Faso en termes des mécanismes de pérennisation et de financement des cadres de concertation a porté ses fruits dans la vallée de Sandougou. On est parti au Burkina parce que le Burkina, c'est un élève, un bon élève par rapport en Afrique de l'Ouest, par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau. Nous sommes partis pour voir leur méthode. Et quand on est revenu, surtout par rapport à la pérennisation des cadres de concertation, comment faire pour qu'après le départ du projet, ces acteurs puissent continuer à faire des actions Certes, les communautés bénéficiaires ont maîtrisé les bonnes pratiques, mais celles-ci mènent en rapport avec les autorités administratives et territoriales le plaidoyer pour un financement de la seconde phase pour renforcer les réalisations d'infrastructures et mieux encore procéder au dragage du Sandougou. Depuis lors, il y a des recommandations qui ont été, formulées euh, par rapport à ça. Parce qu'on voit que si le lit n'est pas dragué, il y a un problème. Parce que l'eau, l'écoulement était rapide. Le sang, l'écoulement était rapide. Il est à noter que les populations ont déjà commencé à capturer les dividendes de la GIR, gestion intégrée de la ressource eau, dans les huit différentes communes, zones d'intervention du projet Pagé-GIR. Vivement pour une seconde phase du projet.